fidèles auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse euh, de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les principaux faits qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont d'abord la session extraordinaire le vendredi 24 mars à Niamey du Comité national du dialogue politique CNDP. Ensuite, le début du mandat de 5 ans des 15 nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication à compter du jeudi 30 mars 2023 Enfin, nous terminerons avec du sport et ce sera pour parler de cette première qualification de l'équipe nationale de football du Niger des moins de 23 ans pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 prévue en juillet prochain au Maroc pour euh, commenter et analyser tous ces sujets. J'ai nos confrères euh, Maimouna Gado, journaliste indépendante, Ousseini Sajubo, journaliste indépendant également, et Gary Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dej. Le Conseil national du dialogue politique CNDP s'est réuni en session extraordinaire le vendredi 24 mars dernier à Niamey. À l'ordre du jour figure l'examen et l'adoption du rapport général des travaux du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et son règlement intérieur, un comité qui avait été mis en place euh, lors de la session précédente euh, le 9 euh, septembre 2022. Mais Gado, quelles ont été les recommandations de ce comité ad hoc qui avait donc été proposé à cette session extraordinaire pour examen et adoption ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est une bonne chose que le comité ait pu terminer euh, son rapport et pour, pour, mhm. pouvoir en tout cas euh, soumettre ça euh, au CNDP, donc à tous ces partis politiques qui mhm. sont membres du comité national de dialogue politique. Il faut d'abord rappeler que en fait ce cadre-là peine justement donc euh, à, aller de l'avant, ça veut dire à se retrouver dans ce cadre-là pour pouvoir euh, euh, régler certaines situations d'ordre politique, d'ordre sociaux et mhm. politique et sécuritaire, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Et le rapport étant déjà donc établi, il y a eu des recommandations et Parmi ces recommandations, c'est également le toilettage de, certains textes, en tout cas euh, pouvant, euh, qui, peuvent euh, ne pas être, donc, où tous les partis ne peuvent pas être d'accord sur certains points, donc il faut réviser ces textes-là, il faut adapter euh, le CNDP au contexte donc actuel mhm. et également donc euh, appeler les uns et les autres donc essayer de voir les partis qui doivent euh, siéger mhm. le groupe de partis ou les partis qui doivent siéger donc je me dis que déjà donc ceux qui étaient présents ont pris acte en tout cas de ces recommandations là mhm. et certainement que prochainement on verra évoluer la situation. Et ce qui m'amène aussi à dire que euh, lors donc, euh, de, cette rencontre, le Premier ministre a également appelé les uns et les autres mm. à cesser cette histoire de clivage politique et de se remettre au travail, en tout cas mm. pour faire sortir surtout le Niger euh, de cette insécurité, en tout mhm. cas, qui est à la porte donc, du Niger depuis 2015. Selon lui, le Premier ministre, qui est d'ailleurs le président du euh, Conseil national euh, de dialogue politique, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur, de, la, nation. Voilà. Et Hussein Issajibo, parmi les recommandations qui avaient été formulées et finalement adoptées par cette session extraordinaire, il y a justement cette question de convocation d'une session extraordinaire euh, à partir donc de cette session précédente. Il a été retenu qu'un nombre important de partis politiques, euh, s'ils le souhaitent, euh, peuvent euh, décider de demander une convocation et cela va être examiné pour qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'on peut dire que le consensus est de retour au CNDP vu le climat Il ne faut pas perdre de vue que quand le CNDP a été mis en place en 2004, c'était dans l'esprit de faire en sorte que quand il y a des problèmes, que ce soit d'autres politiques, que ce soit d'autres sociales qui engagent la vie de la nation, que toute la classe politique se retrouve pour discuter, mhm. essayer de trouver un terrain d'entente quand c'est un point litigieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route à partir de 2016 précisément mhm. C'est qu'on a balayé tout ça, parce que tout simplement, c'est un regroupement majorité opposition non affiliée. Et les gens venaient s'asseoir quand il y a des, comment, des blocages, des situations de blocage on ne cherchait pas à surmonter ce blocage-là. En cherchant le consensus, on passait au vote. À partir de cet instant, le CNDP a été dévoyé de son objectif, de son, de son but premier. Et c'est ça le départ, le point de départ. On a fait ça, on a transformé ça en un instrument de, comme avait dit, de légitimation de position, de légitimation de certaines questions politiques. Alors que ce n'était pas ça le cas. Moi, de ce point de vue, j'ai parcouru le document. Je mhm. J'ai vu qu'on a dit les décisions du CNDP sont prises par consensus. Ce n'est pas le vote. Il faut qu'on trouve le juste milieu qui arrange tout le monde mhm. pour éviter, parce que c'est justement pour aplanir mhm. les divergences et les tiraillements politiques que l'instrument a été mis en place. Justement, mais, en 2020, c'était plus précisément le 12 juin 2020, il y a eu un boycott euh, qui avait été exprimé dans un communiqué de non, presse. Le problème, le boycott a commencé avant 2020. Hein? Le boycott a commencé en 2002-2016 à l'approche des élections présidentielles. En fait, c'était devenu plus sévère à l'approche des élections et il y avait eu un communiqué officiel et ensuite il y a eu la création de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021 et c'est là que vraiment on a vu tous les acteurs politiques, le FRDDR, mm. le Front patriotique, euh, le FOI euh, et les autres qui sont alliés dans ce mouvement de dire qu'ils ne vont plus aller au CNDP. Oui, mais ils ont raison. Et selon leur expression, c'est que c'était une officine d'imposition de la pensée de unique. de la pensée unique et ils ont mhm. raison. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que on a à présent l'ordre normal D'après ce que mhm. j'ai lu, les textes que j'ai lus, ce que j'ai vu dans le texte, je me dis quelque part, ils sont revenus vraiment à des meilleurs sentiments. Mhm. C'est ça l'idée. Mhm. Il ne faut pas se leurrer. Moi, si j'ai participé en tant que journaliste de bout en bout à la mise en place de cette institution en 2004 au Palais de Congrès, mhm. n'est-ce pas Et quand les gens ils sont arrivés, et ça faisait l'affaire de tout le monde, jusqu'en 2011, jusqu'en 2015. C'est à partir de 2016 que les problèmes avaient commencé parce que les gens voyaient en cela un instrument pour pouvoir imposer leur vue. Alors que c'est l'esprit, ce n'est ni l'esprit ni l'essence du CNDP. Et c'est ça mhm. qui a poussé les organismes, ou du moins les regroupements de partis d'opposition et les non-affiliés à, carrément abandonner. Mhm. Parce que vous n'allez pas aller vous asseoir, cautionner des points de vue ou des, des préoccupations politiques ou sociales qui devaient être réglées ah, comment dire, selon euh, la, la, voie du consensus. Ou ça, qu'est-ce qui a alors favorisé ce retour au consensus vous savez, sein du Vous savez, moi j'ai dit, mhm. vous savez, qu'on dise la démocratie n'est pas forcément euh, la suprématie du plus fort sur le plus, la démocratie sur le juste équilibre. Mhm. on a tendance dans ce pays à faire croire que la démocratie, c'est la majorité. Non, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une majorité, une opposition, et, même des gens qui sont si je peux l'exprimer comme ça, qui peuvent être centristes, qui peuvent dire leurs leur mots dans, dans, dans, dans, la prise des décisions et autres. Mais pas considérer que c'est juste la majorité qui doit décider. La voix de la minorité aussi compte. Et on doit prendre en compte la voix de la minorité. Et malheureusement, on a travesti cette conception de la démocratie ces dernières années pour considérer que nous, majorité, on va faire ce qu'on a envie de faire parce que c'est nous qui détenons le pouvoir, c'est nous qui faisons. Ce... Et là, ça crée quoi Ça crée des situations de tension, n'est-ce pas parce que euh, vous avez beau être majoritaire, quand ceux qui sont opposants, ils disent nous ne sommes pas d'accord et ils se mettent dans une autre posture, qu'est-ce qui va se passer La calmie, la calmie, la paix que vous cherchez, il n'y aura plus la paix. Parce qu'il faut avoir la paix pour pouvoir gérer nous. Voilà la situation et voilà en quoi le fait que le CNDP revienne à sa formule initiale, moi je dis quelque part c'est une bonne chose. Et l'autre aspect, c'est que ça va dans le même sens. Au départ, le CNDP, quand les regroupements des partis à jusqu'à un certain nombre, ils peuvent interpeller et, ou du moins euh, euh, comment demander, convoquer, demander une convocation du CNDP. Mm-hmm. En cours de route, ça a été mis de côté. C'est seulement le président du CNDP qui convoque. Le président qui est le premier ministre. Qui est le premier ministre. Et l'ordre du jour, même, c'est lui qui fixe l'ordre du jour. Ça veut dire que vous, de l'autre côté, les opposants comme les non affilés même si vous avez des préoccupations qui méritent d'être débattues, on considère que ce n'est pas des préoccupations. Hmm. Et aujourd'hui, on a rétabli ça. Ça veut dire que l'opposition euh, pas forcément l'opposition, y hmm. compris des non affilés quand ils ont des préoccupations hmm. précises qui méritent d'être débattues en CNDP, ils peuvent convoquer, et c'est de droit. C'est le droit, c'est pas ils Font la demande ils font la, de La convocation. Dès qu'ils font la demande, mhm. ils ont atteint le quorum, le nombre nécessaire. Voilà, ils font un nombre justement. Et là, mhm. le, conseil est convoqué, la session est convoquée pour qu'on débatte de la question. Mhm. Voilà, ça aussi c'est une avancée. On a restitué quelque chose qui existait déjà auparavant. On a remis à sa place. Et moi j'ai dit en cela, c'est une bonne chose. Si on travaille avec le texte tel que j'ai vu, moi je me dis, on va se retrouver, on va avoir un climat social et politique apaisé. Mais si on, coupe de route encore, parce qu'il y a des gens qui pensent que tant qu'il y a une espèce d'entente, ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas manger, on va se retrouver, on ne sait pas cette fois-ci ce que ça va donner. Alors, moi j'ai dit, les gens doivent se dire, voilà ce qu'on a mis en place, on doit créer, on doit tout faire l'effort nécessaire pour que ça fonctionne selon l'esprit et la lettre. Merci beaucoup. Gary aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, pour que ce dialogue euh, politique euh, puisse continuer dans l'intérêt du peuple nigérien Puisque, comme le chef de file de l'opposition a eu à le dire, il a dit, je cite, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire mm. c'est, Tout ça, c'est joli. Mm. Voilà. <laughs> Au micro, c'est joli quand on entend ces choses-là. Mm. Mais là, la réalité, euh, il y a un certain manque de responsabilité au niveau de, des partis politiques. Une irresponsabilité criarde qui fait que finalement ce pays-là, euh, sur le plan politique, parfois il y a des situations qu'on ne peut pas gérer. Mm. Il y a une irresponsabilité et j'espère que cette fois-ci, les gens vont prendre la mesure des enjeux. Parce que ce qu'a dit Ousseini, c'est vrai, on revient à l'essence même du CNDP. Mais pour que mm. le CNDP fonctionne, il faut qu'il y ait l'esprit de consensus. Et pour qu'il y ait un esprit de consensus, il faut que savoir faire des concessions. Tant que vous avez un camp qui ne peut pas faire de concessions, ça ne marchera pas. On a beau faire, on a fait de beaux textes du CNDP, on a renouvelé, on a retoqué, on a renouvelé, n'est-ce pas On a amené tout. En principe, tout doit pouvoir fonctionner normalement. Mais qu'est-ce qui va se passer Les gens vont s'agripper parfois sur leur propre certitude, sur leur intérêt égoïste, sur leur intérêt mesquin. Et ils vont vouloir, parce qu'on a dit, le consensus est parfois un piège. Michel, tu ne le sais pas. Le consensus, c'est un piège. Parce que qu'est-ce qu'on dit On dit non, les décisions du CNDP sont prises par consensus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a une partie qui n'est pas d'accord, la décision n'est pas prise. Et donc, il y a une sorte de pouvoir de blocage. Hmm. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, il y a un pouvoir de blocage du CNDP. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire qu'on a l'impression que non, on a réglé le problème. Non Il se peut qu'on a créé maintenant la source des futurs problèmes. Parce que je vous dis, tant qu'il n'y a pas le consensus, puisqu'il n'y aura plus le système de vote, si une partie n'est pas d'accord, ça ne sera pas entériné. Et voilà ce que ça veut dire. Donc, parfois, on a l'impression que oui, oui, euh, on est revenu. C'est bien joli tout ça. Et on a entendu tout le monde a dit des mots gentils, gentils, mais les, partis politiques nigériens, eh, eh, ils ont cette particularité. Parfois, on dit non, il faut mettre en avant l'intérêt de la nation. Mais <laughs> la plupart du temps, ce sont des calculs mesquins qui se passent. et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de. Je parle des deux camps. Et donc, tant qu'on ne sort pas de cet égoïsme politique-là, où on ne voit que son propre intérêt, n'est-ce pas Ou l'intérêt de sa propre structure, on ne sortira pas de l'auberge. Et je veux vous dire, vous allez voir à la pratique que ce que je dis est vrai vous allez voir que aujourd'hui, on a pratiquement créé l'instrument le, de, de, de, la, paralysation du CNDP. Le CNDP ne va plus être... Parce qu'on ne pourra plus prendre de décision. Mais ça a été adopté euh, oui, mais malgré tout ce que vous dites. Qu'est-ce qui a abouti à tout cela alors Oui, qu'est-ce qui a abouti Non, vous savez, on il y a, quand même des leaders éclairés qui se réunissent. oui, mais les leaders éclairés, ça c'est la, la théorie, ça. <laughs> vous savez, on fait, il y a les textes qu'on fait et à la pratique, c'est pas ce qu'on fait. Mm. Vous avez des gens qui viennent devant la caméra qui disent Ah oui, oui, c'est joué, nous sommes voilà, nous sommes frères, nous sommes. Mais, mais dès, que la caméra dégage, c'est pas ça. Hein? Mm. Ah non, ce qu'ils vous font croire là, c'est pas ça. Mm. Nous sommes tous frères, nous sommes. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Dans la réalité, c'est pas ce qui se passe, Michel. Mm. Et donc, c'est ça, c'est là où je te dis que, je vous dis que, et en fait, il faut un sens de responsabilité et un sens de, d'amour de, de, de la patrie, de l'intérêt général de l'intérêt, pas les intérêts particularistes. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, je, vous dis, euh, la prochaine, si par exemple un sujet vient au niveau du CNDP, qu'on dit que c'est l'esprit du consensus, on ne vote plus. Donc, il appartient à, toutes les parties de voir comment est-ce que on peut arriver à une sorte de modus vivendi, une sorte de, d'entente, de, n'est-ce pas, mm. pour pouvoir adopter cette disposition-là sur laquelle il y a un litige. Mais s'il y a un, s'il y a un qui s'arc-boute qui dit que non, non, qui refuse de reculer. Parce que je l'ai dit, il faut faire des concessions mm. pour qu'il y ait un consensus. S'il y a un qui refuse de reculer, qui refuse de faire des concessions, il n'y aura, pas de, résolution du problème. Et ça sera encore l'éternelle paralysie. En principe, moi, pour moi, à mon entendement, il n'y aura pas de vote. Mm. Les partis politiques vont faire euh, preuve de sens de responsabilité et puis ils vont s'entendre. Pour, moi, c'est comme ça. Mais je suis extrêmement pessimiste. Mm. Moi, je connais la classe politique nigérienne. Pessimiste, il dit, Mahmoud Gado. Est-ce que vous pensez que ce consensus euh, retrouvé va être gardé jusqu'aux prochaines échéances électorales et pourquoi pas pour toujours Vous savez, on dit il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mm. Euh, ils se sont retrouvés, euh, adopter tout ce que les recommandations, en tout cas issues du comité. Je pense que ce sont des grands garçons. On va les mettre devant et après, <laughs> on, saura euh, le moment, en tout cas, euh, pour, on va observer, on aura un temps en tout cas pour revenir sur ce même plateau, mhm. pour critiquer, pour voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a eu le consensus, comme mhm. <laughs> est en train de dire Garé mhm. Parce que le consensus, moi aussi, je vois que c'est un peu difficile. Mais bon, on y va, on, on, va aller, on verra dans cinq ans ce que ça va donner. Les élections, à l'approche des élections, on fera <laughs> le bilan à mi-parcours. Mhm. Est-ce qu'ils vont se retrouver Il faut attendre parce que là, on n'a pas, en tout cas, on n'a mhm. pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mhm. Merci beaucoup. Oui, en quelques mots. quelques il faut, se dire les vérités. Quand ça a été créé, ça a fonctionné de 2004 jusqu'à 2011, 2016, jusqu'à 2015. C'est après que des gens qui pensaient que, parce que le consensus est toujours possible. Le consensus, ce n'est pas forcément quelqu'un va se mettre de côté de manière braquée pour dire je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, quand tu dis tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, pourquoi Ça va, il faut d'abord justifier, argumenter, montrer. Alors, si tu sais que ce que tu as dit, c'est faux là, mais on ne va pas quand même continuer à te suivre. Ça a fonctionné comme ça jusqu'en 2015, jusqu'en 2016. Mm. Je ne vois pas pourquoi si à la bonne foi. Aujourd'hui, parmi les recommandations, il y a des choses qui ont été dites qui sont importantes, notamment revoir un peu la charte des partis politiques, tous ces petits partis qui grappillent pour aller. Non, il faut mettre, commencer à mettre de l'ordre Oh, il faut mettre de l'ordre partout au monde. Un parti, tu vas pas à des mm. élections et tout et tout. Tu es toujours là, à l'après des élections, tu sors, tu fais des déclarations, tu vas aller soutenir. Tu, tu n'as aucune ambition pour Tu veux juste manger. Moi, je dis, il faut qu'on mette fin à des choses comme ça. C'est donc, une, que, donc une situation ah, qui non, mais non, non, appelle à plus de faire la recommandation pour qu'on mm-hmm. on revoie ces dispositions-là mm-hmm. On va tourner la page garée. oui. Ce que je voulais dire, ce que, mm-hmm. que est extrêmement vrai, parce que bon, moi, <laughs> je trouve que un parti politique qui ne participe jamais à des scrutins, à aucune élection, est-ce qu'il a le droit de s'asseoir même au niveau du CNDP Voilà la question qu'il faut se poser. Mais vous avez plus de 200 partis politiques qui ont le droit de vote, qui ont le droit de participer au CNDP, alors mm. qu'ils ne participent à aucun scrutin depuis des années. Mm. Je ne parle même pas de nouveaux partis, des anciens partis. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je crois que ça va être réglé ah, Voilà, c'est vrai. Il y a, En tout cas, beaucoup de partis politiques, certains n'arrivent euh, pas à obtenir un seul euh, siège à l'Assemblée nationale après dix ans de création de leur parti, où il y a des nouveaux qui essayent. Bon, certains arrivent à avoir euh, quelques conseils. Merci beaucoup. Nous allons donc euh, passer au deuxième sujet du forum de la presse euh, de ce soir, les 15 nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication, CSC, ont débuté leur nouveau mandat de cinq ans à compter du jeudi 30 mars 2023. Euh, C'est le décret présidentiel euh, en date du 27 mars euh, dernier portant sur la nomination après les étapes d'élection et de désignation qui l'annonçait. Sinon, il n'y a pas encore eu de prestation de serment ni de cérémonie de passation, mais le décret annonce que leur mandat commence à partir du 30 mars 2023 inclus. Mais Mundiado, d'abord, euh, quel bilan faut-il euh, tirer du mandat des membres sortants du Conseil supérieur de la communication Bon, ce qu'il faut retenir euh, <clears throat> de l'équipe de Dr Kabiru, mhm. Kabir Sani, mhm. c'est que c'est, dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Mhm. Il y a des, actions qui ont été menées positivement, comme il y a des actions qui ont été menées euh, négativement. Et parmi ces, actions que nous avons combattues ici de tout le temps, que nous avons appelé à changer, c'est cette situation de partage, en tout cas, du fonds d'aide à la presse, mmh. euh, la loi sur la publicité qui tarde à venir. Et il y a également ce, le côté positif, ce qui m'a plu, c'est que c'est la redevance euh, que les médias, en tout cas internationaux, euh, ont euh, payé, mm. en tout cas, puisqu'il dit qu'ils ont pu récolter en trois ans quelques 300 millions mm. euh, de redevances euh, de ces radios et ces médias, mm. en tout cas. Donc c'est une bonne chose de ce côté. Mais le rapport tant que tel, nous n'avons pas jusque-là pris connaissance en fait du rapport global mm-hmm. de, de, la gérance de Kabir Sani, docteur mm-hmm. Kabir Sani, peut-être qu'il le fera mm-hmm. en temps voulu. Mais euh, ce qui est sûr, euh, le bilan, euh, moi je l'ai suivi avec, quand il, a été reçu par le président de la République mm-hmm. dans son interview où il a expliqué euh, ce il qui restait allé à faire. c'est justement lui transmettre le bilan, annuel, des activités du voilà, CC. Et, c'était son, au revoir, puisqu'il n'aura plus l'occasion. Voilà, d'être en face du président de la République, en tant que président du CC. Euh, et je me dis, c'est là-bas que moi, j'ai en tout cas pris connaissance de ce que je viens de dire à l'instant. Mhm. et, il a, comme il l'a dit, en tout cas à, la sortie donc, euh, de cette rencontre, mhm. qu'il est venu euh, pour pouvoir euh, déjà jeter euh, les jalons pour le nouveau bureau, le nouveau, euh, le nouveau bureau donc, euh, qui, mhm. sera, euh, qui prendra mhm. en effet donc, le 30. Un bureau de quatre membres composé du président, du vice-président et des deux rapporteurs. Voilà. Donc, il, a, y a aussi les 11 Il a émis également le vœu mhm. de voir ces lois qui n'ont pas pu être jusque-là adoptées, d'être adoptées. Et également, il a euh, soumis, en tout cas au président de la République, euh, à son inquiétude par rapport justement euh, aux finances. Aujourd'hui, il veut que le CSC décolle par ses mm. propres moyens, mm. c'est-à-dire qu'il soit en tout cas <laughs> capable mm. de financer, de faire son propre financement. Et il a également demandé à ce qu'on revoie cette loi sur la publicité. C'est bien normal, puisque mhm. aujourd'hui, ça freine beaucoup de médias. Les médias sont dans l'attente, donc surtout des médias privés sont dans mhm. l'attente de cette loi de publicité qui va leur permettre aujourd'hui aussi de faire face à certaines dépenses euh, d'ordre matériel et tout. Et voilà, donc je me dis que pour ce qui est du, bilan mhm. du docteur Sani Kabiru <laughs> on ne peut pas dire que ça a été un bilan tout à fait positif, mhm. mais quand même, il y a quelque chose de positif qui a mhm. été fait. Et quant au nouveau en tout cas, c'est le nouveau qui sera. les, les nouveaux membres, les 15, on espère qu'ils feront, en tout cas, plus que euh, docteur Sane Kabirou, puisqu'ils mm. sont également appelés à travailler dans ce sens-là. Espérons qu'ils le feront. Et sinon, on les laisse d'abord prendre place mhm. euh, et le bilan sera à mi-parcours. Mhm. Je suis sûr qu'avant les cinq ans, on, sera encore sur ce plateau-là mhm. pour pouvoir dire ce qu'il faut dire par rapport Merci beaucoup, Maïmoun Diado. Nissa, il faut rappeler que le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative et indépendante dont les missions sont prévues dans l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui dispose que, je cite, le Conseil a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. Qui sont aujourd'hui les nouveaux membres de ce Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias privé et public euh, au Niger. C'est des institutions, mhm. moi je vais parler, n'est-ce mhm. pas Le bilan, l'équipe Soctan, l'équipe moi je considère que c'est un bilan mitigé. C'est un mhm. bilan mitigé. On a comme eu l'impression que c'est une équipe qui est venue pour faire des affaires, n'est-ce pas À commencer par la gestion du fonds d'aide. On a vu, ils ont décidé que désormais, c'est eux qui vont gérer le fonds d'aide. Vous exprimez votre besoin et vos besoins en tant que médias, D'abord, il n'y a pas eu beaucoup de lutte pour créer les conditions pour que ça soit plus consistant, n'est-ce pas mhm. C'est toujours vraiment des, des, des, comment vais-je dire, euh, c'est des broutilles. Mhm. Comparé à ce qui se pratique dans des pays de la sous-région, hein, c'est vraiment des broutilles. Et on voit maintenant comment c'est géré, n'est-ce pas et on a comme l'impression que ce, les promoteurs gèrent de manière opaque. Mais on a l'impression qu'ils aussi gèrent de manière opaque. Mhm ce fond là ça, c'est un autre débat. C'est vrai, c'est important, mais on n'aura pas le temps d'aborder tout ai ça. non, non, mhm. non, non laisse-moi parler. Mhm, laisse-moi parler. Je les ai vus, ils sont mhm. allés dire au président de la République ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire. N'est-ce pas Mais il y a un problème qu'il faut le dire. Il y a un texte là en souffrance depuis 2011, 2010, 2011. L'ordonnance portant accès aux documents et aux Jusqu'ici, mhm. on a connu combien de CSC Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à mettre en place. Le rôle du CSC, c'est quoi C'est de créer les conditions pour que les journalistes puissent accéder aux documents et à l'information. Mhm. Alors, ça veut dire que ça ne les préoccupe pas, mhm. n'est-ce pas Ça, ça ne les préoccupe pas. Personne ne veut faire avancer cette chose-là. Le texte est là en l'état, le document est là, l'ordonnance portant accès à l'information et aux documents administratifs, mais le décret d'application, jusqu'ici, on peut bousculer le ministre pour qu'on fasse le décret d'application, mhm. pour que les gens puissent jouir de ce texte-là. Ça fait 22 ans aujourd'hui que le texte est là. 12 ans, 12, 13 ans, n'est-ce pas De 2010 à aujourd'hui, ça fait 13 ans. Alors, qu'est-ce que ça n'a pas été fait, n'est-ce pas On dit on protège les journalistes. Non, on protège bien ses intérêts de l'autre côté. Ça, c'est clair. Avant-hier seulement, <laughs> seulement, voilà un journaliste du privé qui a été tabassé. Mhm. Un opérateur de, prise de vue. Le caméraman qui, euh, au niveau d'une organisation, une organisation internationale. Pas un agent du service euh, de sécurité Alors, Moi, je n'ai pas entendu le les CSC sortir. Parce que chaque fois qu'il y a eu violence à l'encontre mhm. des journalistes du privé, je n'ai jamais entendu les CSC. C'est une institution de l'État mhm. qui doit attirer l'attention des gens pour leur dire attention. Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un dans l'exercice de son métier. C'est ça la protection aussi. Mhm. Parce que la maison la presse a fait son communiqué. Et les organisations à part ont fait leur communiqué. En Alors, mhm. mais quand c'est l'autorité même qui sort pour interpeller, demain, ça ne va pas se répéter. Mais si ça se limite simplement aux organisations, il y en a qui vont alors demain encore faire ça. Parce qu'ils considèrent que c'est des organisations privées, on ne vous respecte pas. Mais quand c'est l'autorité même qui sort pour dire attention, on ne peut pas venir. Dans, le journaliste, son travail, c'est d'aller sur le terrain, couvrir. Si on l'empêche de venir couvrir, est-ce que celui qui a dit, le journaliste, celui qui a dit aux, migrants là d'aller manifester, mhm. C'est étaient en manifestation. Ah, ben alors, dans ça, moi, j'ai mhm. dit, ils ont été défaillants sur toute la ligne pendant leur mandat. Mhm. Ce n'est pas aller s'engouffrer dans des bureaux, s'asseoir pour vouloir réfléchir à la place. Le travail qu'on attend d'eux également, c'est cette façon de protéger le journalistes dans l'exercice, mais également de créer les conditions pour que les conditions des journalistes puissent s'améliorer, les conditions de travail et autres. Mm-hmm. Quand j'apprends que même l'accès à la carte de presse aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, alors en même temps qu'ils disent non, la carte de, la presse, la carte de presse doit être quelque chose, ça devait être systématique. Chaque fois, on dit il y en a, on doit voir également la durée de, de, cette carte. Une carte de presse, ça peut aller jusqu'à trois ans. Mhm. n'est-ce pas Parce que la personne ne peut pas quitter du jour au lendemain la profession. Mhm. Celui qui... Euh, ils ont dû réviser ça. Oui, avant, c'était 4 ans. et en même temps, j'apprends que chaque fois que vous voulez renouveler, on vous dit de constituer un dossier. Mais alors, ça n'a aucun sens. Donc, vous pensez que tout ça, a non, tout ça là, tout amélioré Tout ça tout ça, on vous a bien compris. Ok, d'accord. Moi, j'ai dit un mot par rapport à la composition, puisque dans la composition, il y a 15 membres. Les trois sont désignés par les personnalités qui sont le président de la République, le président de l'Assemblée, le Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu des élections crédibles Vous pensez Non, non, non. J'ai dit on veut une institution indépendante qu'on mhm. mette fin à ça. Mhm qu'on mette fin à tout ça, que les institutions, les présidents nomment, que le président de l'Assemblée, qu'on mette fin à tout ça. Oh, non, non, je veux dire, je veux dire ailleurs. Moi, je connais ailleurs comment ça fonctionne, comment ça se fait. Mhm. Au Bénin, ici à côté, l'ODEM. Mhm. Ici en, en Côte d'Ivoire, comment ça s'appelle l'autorité de régulation. Tout ça ce n'est pas le président va élire et on considère que le mm-hmm. représentant du président s'élit systématiquement qui devient. Alors ça cesse d'être une institution indépendante. Mm-hmm. Il faut mm-hmm. créer un mécanisme pour que ça soit des gens, des professionnels aguerris, qui soient reconnus par les pères et les pères qui désignent quand ils vont se retrouver, que ça puisse fonctionner de telle sorte que le, monde de la presse soit, comment dire, soit respecté, et respectable et respecté. Mhm. Voilà un peu l'enjeu. Mais si on continue à... Merci beaucoup, on, politise, on, politise, la structure, mhm. on politise la structure et on veut que ce soit on que c'est une structure indépendante. Non, elle n'est pas mhm. indépendante, je suis désolé. Et l'autre aspect, l'autre aspect, laisse-moi finir. Par rapport à l'élection des membres au niveau du privé, moi je suis contre. On ne va pas dire que c'est les structures qui vont venir voter. De la même manière, le collège a convoqué, tout journaliste professionnel, il vient, il peut présenter sa carte professionnelle. On ne va pas dire que c'est des organes ou des structures, les, structures qui vont venir voter à la place des journalistes qui sont là, qui travaillent. Parce que ça, ça veut dire qu'on goupille les choses d'avance, mhm. n'est-ce pas les candidats qui vont venir, qui qui sont pas. Déjà, on sait, les candidats qui n'ont qui, qui, qui sont pas, qui n'ont pas d'atomes crochés avec, ils vont être systématiquement mis de mm. côté. Il faut mettre fin à ça. Merci beaucoup, Sénissa. Gaga c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est que hein. les dispositions sont prévues dans le titre 8 de la Constitution, puisqu'il y a un titre qui est réservé euh, justement au Conseil supérieur de la communication. C'est vrai, tout n'est pas dit. Par non, par rapport aux personnes désignées. Non, non mais pas non, par rapport. ça, c'est une loi organique qui complète par rapport aux élections. La Constitution ne dit pas tout, mais les trois personnes désignés, on les appelle personnalités. Ça, ça, c'est déjà dans la Constitution. Ça veut dire qu'il faut modifier la Constitution pour changer ça. Mhm. pour moi, mhm. l'indépendance d'une institution suppose que, voilà, voilà les mécanismes. Il faut que ce soit une institution véritablement où des gens, mais quelqu'un va s'asseoir. Celui qu'on va vous faire parachuter parce qu'il vient au nom du président, systématiquement, celui qui va être président de l'institution alors qu'il ne connaît rien dedans. Alors. Merci beaucoup, Issa On vous a euh, bien compris. Gary Amadou, aujourd'hui, quels sont les vrais défis qui attendent les nouveaux membres On a rappelé que certains sont désignés, les trois représentants du, on les appelle les personnalités désignées par le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le euh, président de la République, mais il y a 12 autres euh, personnes qu'on appelle les représentants élus. Il y a trois pour les médias publics, trois pour les médias privés. On a les imprimeurs, les éditeurs, les bureaux, les organisations féminines, les, OSC, tout ça. Mais tout ce gros groupe-là qui forme les 15 membres eh, du Conseil supérieur de la communication, quels sont les principaux défis qui les attendent mais les principaux défis ont déjà été pratiquement énumérés par euh, Sani Kabir quand il a été reçu par le président de la République. Parce mm. que là, quand il annonce que voilà, euh, voilà plusieurs sujets euh, qu'il n'a pas pu résoudre, ça veut dire que là, ils ont déjà, en tout cas, de la matière pour pouvoir travailler. Mm. C'est-à-dire, la loi sur la publicité, comme il a dit aussi, ça fait plus de dix ans mm. que ce n'est pas encore entériné, etc. etc. D'autres mesures encore. Et, la modification, il faut, pour moi, ce que j'avais dit lors d'un ce, débat ici sur ce plateau-là, c'est il mm. fallait modifier même euh, en tout cas concernant le fondé de la presse, les critères d'attribution du fondé de la presse. Parce mm. que je l'ai dit ici, euh, pour moi, tout, tout, organe de presse, de la presse écrite par exemple, mm. qui est régulier, à partir d'un certain nombre de numéros, mm. il doit avoir le fondateur de la presse. Ce n'est même pas la peine d'amener une histoire de dossier, d'amener le truc de la caisse. Non, non, non. Il sort, il est régulier, donnez-lui quelque chose pour qu'il puisse s'améliorer. Je veux dire, une télé qui émet ne doit pas, être, ne doit pas lui refuser le fondateur de la presse. Mm. C'est-à-dire, à partir du moment où la télévision émet, elle a droit. Mm. La radio qui émet, elle a droit. Parce que la dernière fois, on a vu une télé qui a été récalée, on lui a donné zéro. Pourquoi Parce qu'elle aimait pourtant. Et donc, toute télé qui émet a droit au fondateur de la presse. Tout, tout, organe de presse qui est. Donc, il faut modifier toutes ces choses-là. Maintenant, euh, il y a du travail. Et déjà, j'ai dit, c'est une chance pour la, nouvelle équipe de voir qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'équipe de Sanu Kabiru mhm. Quels sont les chantiers qui sont restés inachevés ou qui n'ont pas été eh, réalisés Et puis là, ça leur permet de bien travailler. Mais au bout de cinq ans, on va voir le bilan. on, va, faire le bilan, effectivement. Et ce sera implacable. Mhm. Parce que le problème, c'est quoi Quand vous, arrivez et vous finissez votre mandat, on vous demande, mais, qu'est-ce que vous avez fait de révolutionnaire mhm. Rien. Et c'est ça le problème. Parce qu'on va vous demander, mais attends, quels sont vos, vos, vos, faits d'armes là Les plus grands faits d'armes pendant votre mandat, c'est quoi ben Rien. C'est pratiquement la routine. Mm. Et là, c'est mauvais. Et c'est pourquoi je vous dis que cette équipe-là qui va monter, elle a beaucoup plus de défis parce que je vous assure que eh, eh, les gens ne seront pas, euh, ne vont pas laisser les choses se passer comme ça. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça devient une sorte de routine. Chaque CSC qui vient, il vient, il s'assoit, les gens dorment, ils font 5 ans, et puis après une autre équipe vient, ils dorment, ils font 5 ans, à se demander à quoi sert l'institution. Mm. Et puis je suis d'accord avec Ousseini. Quand des journalistes ont été agressés, pour moi, le CSC e devait faire un communiqué. Parce que les journalistes ont été agressés, leur matériel a été détruit. Le CSC e devait faire un communiqué. Ce n'est pas parce qu'il vous reste quelques jours que vous allez considérer que non, non, non, vous, êtes en train de préparer la passation. Donc, euh, non, votre mandat n'est pas fini. Et donc, pendant que votre mandat été en cours, il y a eu un acte extrêmement grave d'atteinte à l'intégrité physique, n'est-ce pas, à la destruction du matériel des journalistes. Vous devez faire un communiqué pour interpeller les institutions, toutes les institutions, national et international qui évolue sur le sol national, mm. sous le respect du travail du journaliste. Un journaliste, il a le droit de partir chez vous chercher l'information. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Mm. Mais c'est pas parce que, non seulement vous n'êtes pas content qu'il soit venu que vous allez lui casser le matériel ou lui casser la gueule, non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc le CSC devait le CSC a failli, je suis d'accord avec conseil, sur ce point-là. Il y a eu ici auparavant, avec cette situation de Covid-19, où des responsables des médias ont pratiquement licencié plusieurs mmh. agents, mmh. le CSC n'a rien, dit par rapport mmh. à ça. <laughs> Donc ça, aussi c'est une inquiétude. Si aujourd'hui, en tout cas, nous sommes assujettis euh, au Conseil supérieur de la communication, euh, comme étant donc la maison fêtière ou mhm. protectrice mhm. De, des agents, de, ces journalistes, de ces hommes de médias, mhm. et et qu'aujourd'hui, on prend plaisir de vider tout un organe de, sans droit de ces, de, de, ces agents et qu'on n'a pas entendu le mhm. Conseil supérieur de la communication, mais c'est grave dans ce cas. Il y a beaucoup d'actions donc, euh, que la presse a souhaitées, mais qui n'ont pas été euh, faites. C'est du moins ce qui ressort de vos interventions. Nous terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec du sport et c'est pour parler de cette qualification historique de l'équipe nationale de football du Niger des moins de 23 ans pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en juin et juillet prochain au Maroc. C'était au terme de son match retour joué au Soudan mardi en battant l'équipe soudanaise 2 buts à 1. Ainsi, les huit nations qualifiées pour cette euh, Cannes Maroc 2023 sont le Congo, l'Égypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger et le Maroc qui est le pays organisateur au ça quelle analyse vous suscite euh, cette euh, qualification historique euh, de l'équipe nationale, le MENA U23 D'abord, je félicite le staff parce que c'est un exploit, n'est-ce pas On ne s'attendait pas, en tout cas, au regard de comment ça a débuté le parcours de, notre MENA. Et en fin de compte, euh, on a fini en beauté, n'est-ce pas mm. On va aller, et j'espère que quand on va aller au Maroc, ce n'est pas pour faire la figuration, mm-hmm. c'est pour démontrer qu'on est aussi là pour éventuellement remporter la coupe. La dernière fois, on a démontré qu'il faut compter désormais avec le Niger. C'est une question de volonté, moi je me dis. Mm-hmm. Ça veut dire que les autres jouent, avec deux bras, avec une tête. Il n'y a pas de raison quand les gens s'y mettent, mais il faut l'accompagnement. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est ça qui fait défaut. C'est ça qui fait. Et il y a aussi le copinage. Dans notre football, souvent, et ça influe beaucoup sur la qualité, sur la, le, le, le, les contre-performances. Moi, j'ai dit, il faut mettre tout ça de côté pour créer les conditions pour que. On a connu le football nigérien dans les années 80 avec les Djagoundi. Mm. On rivalisait avec l'Algérie, des pays comme le Ghana, des pays comme le Mali. Le Burkina, on n'en parlait même pas à l'époque. Le Bénin, on n'en parlait même pas à l'époque. Mm. Mais aujourd'hui, on est tombé tellement bas. Et aujourd'hui, on est en train de remonter. Moi, je pense il faut encourager cette équipe. Et il faut encourager surtout nos coachs nationaux. Moi, c'est ça, parce qu'ils ont fait leur preuve, n'est-ce pas Le plus souvent, on va aller chercher des blancs pour payer à, des centaines de millions. Euh, il n'y a, aucun, il a aucun résultat. Moi, j'ai dit, contentons-nous de nos, de nos, de nos entraîneurs. Mhm. On a des entraîneurs très valables et qui, qui ne sont pas complexés. On a vu Arundula, il n'était pas animé de complexe jusqu'à ce qu'on soit éliminé. On a fait un bon parcours, mais bon, bien évidemment, euh, c'est le sport. Il faut mhm. s'attendre à ce genre de choses et je pense qu'on va faire de belles choses au Maroc mhm. à, l'occasion de cette Coupe-là. Voilà. Merci beaucoup, Nissa. Gary Amadou, euh, l'avantage de cette compétition, c'est qu'il faut le rappeler, c'est une compétition qui est qualificative. Hein aux Jeux olympiques euh, qui auront lieu à Paris en 2024, euh, les trois premiers, c'est-à-dire les deux pays finalistes euh, et le troisième, vont donc décrocher leur billet pour participer au JO Paris 2024. Est-ce qu'on peut espérer qu'on soit parmi justement ces trois pays Oui, c'est bien possible puisque mm. d'abord, euh, je crois qu'il y a, 8 équipes qualifiées. Mm. Donc, euh, je pense qu'il y aura deux poules de 4-4. Mm. Euh, je pense que le Niger a une carte, en tout cas, a, une carte à jouer dans cette compétition-là pour essayer de faire en sorte qu'on soit présent lors des Jeux Olympiques de 2024. Mais en fait, moi, je me pose une question concernant le processus de transition vers les équipes de U17, U23 jusqu'à l'équipe nationale. Pourquoi au niveau de U17, U23, on a l'impression que ça marche mais au, niveau de l'équipe nationale, ça ne marche pas. Parce qu'il faut le rappeler, le Niger a participé à deux cannes. Il n'a jamais gagné un match. Il a plutôt encaissé des buts. Et beaucoup de buts. Et donc, l'équipe nationale, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Le Chan, ça marche parce que le Chan, c'est les locaux et c'était Haroun Adoule qui, comme il l'a dit, qui, dirigeait le Chan. Bien sûr. C'est donc c'est différent du MENA A. Mhm. Est-ce que vous comprenez Et donc, qu'est-ce qui fait Est-ce que euh, au niveau de l'équipe euh, U, euh, âgée de moins de 17 ans, quel est le processus de transition qu'on fait pour que ceux qui sont au niveau des moins de 17 ans puissent graver les échelons, être au niveau des moins de 23 ans Et là encore, on prend les meilleurs, on les amène au niveau international. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas au niveau de l'équipe nationale Aujourd'hui, c'est même honteux pour nous, mais le seul international nigérien qui est connu, c'est Moussa Mazou. Qui est connu, je veux dire, qui a, qui a une. C'est lui seul. Une renommée internationale. Mais comme il l'a dit avant, quand il y avait les Diagondi, les Lawandidi, les, les Navajo et consorts, mais dans les années 80, mais le Togo, le Burkina, on les, ne les entendait même pas. Mais aujourd'hui, les Togo, ils ont des stars. Les Adebayor, vous avez le, Burkina, ils ont des stars. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer tout ça non, y a surtout aller loin à cette euh, compétition Le principal problème du mm-hmm. groupe de football nigérien, c'est le copinage. Mm. Les gens, c'est des groupes qui décident qui rentre dans l'équipe nationale, qui ne rentre pas. Comment tu peux comprendre, par exemple, que pour l'équipe nationale MENA, le meilleur buteur du championnat n'ait pas été sélectionné Ça veut dire quoi Mais c'est du n'importe quoi. Et comment voulez-vous avoir des résultats quand vous avez toujours des calculs, des petits trucs mesquins, où c'est des groupes qui décident qui rentre dans l'équipe nationale Soit un des patrons euh, sa copine, voilà, elle a un frère qui est, joueur. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à tout ça Parce qu'on a l'impression que le chef de l'État suit de près tout ce qui se passe. il a tué pour féliciter récemment le MENA U23 par rapport à ça. Et récemment, il a eu une rencontre avec euh, les dirigeants justement le de la Le président est mhm. animé de beaucoup de bonnes volontés. Mhm. D'abord sur le plan de soutien financier, mhm. le président a démontré qu'il était là. Sur le plan, non seulement pas sur pas au niveau du football seulement, tous les sports en général. Le président est là pour appuyer. Le président veut que le Niger sorte de l'ornière. Le président veut que le Niger puisse occuper la place qui lui revient sur dans le concert des nations en matière de sport. Mais le problème, par exemple, concernant la FENIFOOT, l'État n'a pas d'emprise sur la FENIFOOT. La FENIFOOT dépend directement de la FIFA. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas enlever le président de la Finiput. Mhm. Est-ce que vous comprenez La FIFA est là, elle veille au grain. Mhm. Elle veille au grain, elle ne laisse pas. Dès que le, politique là veut s'immiscer dans les affaires de la fédération, il va dire, et voilà le problème. Mhm. Et donc, ce qui fait que les gens sont là, ils se sont éternisés, et il y a eu des groupes qui se sont créés, éternels, n'est-ce pas, qui sont là et qui décident de l'avenir du football. Ils décident qui rentre, qui rentre pas. C'est donc un problème, Gary. C'est un problème compris. Mais Mounjado, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, par rapport à tout cela pour terminer euh, Ce qu'il y a lieu de faire, ils l'ont déjà dit. C'est vraiment de revoir cette situation de copinage mhm. et de mettre, donc, de faire en sorte que les plus méritants mhm. se retrouvent en tout cas au niveau donc euh, de cette équipe. Et maintenant, c'est d'espérer de, en tout mhm. cas revenir avec la coupe, pourquoi pas. Euh, si les jeunes ont mouillé le maillot jusqu'ici, c'est-à-dire qu'ils ont également la chance de mouiller le maillot mhm. pour amener la coupe. Les différentes euh, compétitions, les différents matchs. Et mhm. je pense que vraiment, il faut les encourager. Mhm. Euh, il faut que le peuple du Niger les accompagne par leurs prières et que le président de la République aussi, avec les autres, puisse également les accompagner financièrement. On aimerait, en tout cas, en 2024, entendre euh, l'hymne euh, national, l'hymne du Niger au mhm. niveau retentir, la Nigérienne à, Paris, hein. Dans le cadre euh, de JO. déjà, ça va retentir, ça va mhm. retentir au Maroc mhm. et c'est déjà bon. Il faut rappeler la période pour cette compétition donc de la Cannes U23, c'est du 24 juin au 8 juillet 2023 et c'est ici que se referme le forum de la presse du studio Kalangou de ce soir. Nous disons merci à nos invités, Maimoune journaliste indépendante, Hussein Sajibo, journaliste indépendant également, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. J'ai été assisté par une équipe technique composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end.